le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum Il est 18h15 à Niamey, sur l'heure du forum du Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du Kalangou a pour thème le Niger encore classé dernier par le PNUD en termes termes d'indice de développement humain, causes, conséquences et voies d'amélioration. Cette année encore, le Niger est classé en dernière position, soit 189e sur 189 pays classés, malgré le comité interministériel de suivi de l'indice de développement humain IDH mis en place en 2018 et présidé par le Premier ministre, mais dont la présidence des réunions est assurée directement par le président de la République Issoufou Mahamadou en personne. L'indice de développement humain, l'IDH, est un indice statistique composite créé par le PNUD en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. Il se fonde sur trois aspects essentiels, la santé et la longévité, l'accès à l'instruction et un niveau de vie décent. Toutefois, précise le PNUD, la couverture d'un pays en termes de son IDH dépend de la disponibilité des données. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur les causes de ce dernier rang qu'occupe le Niger chaque année, les obstacles ou encore les difficultés et les solutions envisageables. Nous avons donc le plaisir de recevoir Soli Abdoulaye, économiste. Soli Abdoulaye, bonsoir. et Abdou Mamana Lokoko, coordonnateur du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger. Abdou Maman Lokoko, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord Madame Camille Halimatou Amadou Garba de l'Institut national de la statistique du Niger, interrogée par Fanta Chamsou. L'indice humain du développement a été euh, publié le 9 décembre à 10h. Et euh, cet indice a fait apparaître une amélioration très importante du niveau de l'IDH du Niger. Euh, L'IDH avait été estimé en 2017 à 0,354. En 2018, l'IDH a été estimé à 0,377, ce qui fait une amélioration qui est très conséquente, une amélioration qui est due à une amélioration de certaines composantes de l'indice de développement humain, notamment l'espérance de vie à la naissance qui a augmenté, qui a été estimée à 60,4 ans dans le rapport précédent. Et dans ce rapport, euh, l'espérance de vie à la naissance a été estimée à 62 ans. Et cela est dû à une révision des perspectives démographiques qui ont été élaborées euh, par la division de la population des Nations Unies qui est en charge du calcul de, l'espérance de vie à la naissance pour tous les pays. Et cette, révision qu'ils ont faite a actualisé les données du Niger et cela nous a permis euh, d'avoir une espérance de vie à la naissance de 62 ans. Et cela a eu un impact positif sur l'indice de développement humain. Donc, à résumé, ça a évolué. Oui, ça a évolué. Euh, et il y a également en fait une deuxième composante qui a joué là-dessus, c'est par rapport à l'éducation. Il y a la durée attendue de scolarisation euh, qui a augmenté d'un an. Et cela est essentiellement dû également à l'actualisation des données, en plus des efforts qui sont faits de manière courante par le gouvernement du Niger et ses partenaires. Et ça a augmenté et l'amélioration a été vraiment très conséquente. Vous savez, euh, quand un enfant va à l'école, il y a deux choses qu'il faut regarder. La première des choses, c'est la moyenne. Ensuite, c'est son rang. Et donc, c'est la même vision qu'il faut avoir pour le Niger. Il y a la moyenne et il y a le rang. Il faut relever que le Niger, en fait, dès le démarrage en 1990, avait un indice de développement humain qui était extrêmement faible. On était comme dans, dans un trou et cela est essentiellement dû à, au niveau de l'éducation qui était extrêmement faible à, l'époque. À l'époque, même au niveau de la santé, on avait des résultats qui étaient très faibles, ainsi de suite. Et l'amélioration de ces différentes euh, composante a permis d'amener l'IDH du Niger à un niveau vraiment très appréciable. On, on s'est amusé à, comparer l'évolution des IDH de tous les pays du monde. Et figurez-vous que depuis 1990, le Niger est classé comme le quatrième pays du monde. Je dis bien pas du, monde, en hein, pas de l'Afrique ou de l'Afrique de l'Ouest. Non, le Niger est classé comme étant le quatrième pays du monde à faire des efforts, des efforts notables dans l'amélioration de l'IDH. Donc il faut voir en cela quelque chose de positif, d'important au fil des années, avec euh, les efforts qui sont continués à être faits, très certainement l'IDH va s'améliorer. Mais lorsqu'on vient d'un trou, pour rattraper les autres, ça prend du temps parce que les autres ne vont pas s'arrêter et vous attendre. Ils vont continuer à courir. Alors il faut courir deux fois, trois fois plus pour les rattraper. Et même là, ça prend du temps. L'amélioration des conditions de vie de la population, ça se fait à moyen et long terme, pas à court terme. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites et moi je suis optimiste par rapport à ça. Tant qu'on va continuer à évoluer comme nous sommes en train de le faire, tant que euh, le niveau de l'éducation du Niger va continuer à s'améliorer, donc l'IDH va continuer à s'améliorer et en prenant cela en compte, on peut l'améliorer. Il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la valorisation de la richesse du pays. En fait, dans le calcul du PIB du Niger, euh, on ne n'a pas suffisamment pris en compte toutes les richesses qui sont là. Et il y a des travaux qui ont été engagés par l'INS du Niger depuis 2000, euh, dont les résultats viennent d'être publiés. Et ces résultats n'ont pas encore été pris en compte dans le calcul de l'IDH. Et très certainement, leur prise en compte va encore davantage impulser l'IDH tunisien Donc il y a vraiment des perspectives à la, matière et je pense qu'il faut rester optimiste parce qu'on continue à vraiment progresser dans ce sens-là. Soli Abdoulaye, votre commentaire après avoir écouté Madame Kamil Halimatou Amadou Garba de l'Institut national de la statistique du Niger. Merci, Monsieur Mokhtar. Avant de faire euh, mon commentaire, donc, euh, je remercie d'abord euh, le studio Kalangou de m'avoir invité pour dire ou pour exprimer le peu que je connais sur cette problématique de l'indice de développement humain. Mais j'aurais d'abord une pensée positive pour nos soldats qui sont tombés il y a quelques jours. À Inates. À Et à Agando. Et à que Dieu ait leur âme et qu'il leur accorde leur, son paradis éternel. Amine Allah. Merci. Donc j'ai entendu cette euh, dame euh, des services de statistiques du Niger. Elle a parlé et elle a parlé sur euh, l'ensemble des aspects certainement qui vont d'ailleurs nous préoccuper ou nous occuper ici. Et elle a dit des choses qui sont vraies. C'est très vrai. Il y a beaucoup d'aspects qui font que l'IDH du Niger est dans la situation où elle est. Donc je veux laisser à ce que nous débattions de cela pour que certainement ces aspects-là, nous allons les prendre un à un pour euh, analyser. Voilà. Alors, Soli Abdoulaye, quels sont les indicateurs ou encore les éléments d'appréciation pris en compte dans l'élaboration ou dans le calcul de l'IDH Bien, M. Mokhtar, euh, l'IDH, euh, comme l'a dit cette dame, c'est un indice composite. Donc, quand on dit composite, il est composé donc de plusieurs éléments, plusieurs variables, n'est-ce pas alors, ces variables, elles sont nombreuses, mais le PNUD les a groupées en trois grandes catégories. Donc, les variables qui entrent dans le cadre de calcul de l'espérance de vie, les variables qui entrent dans le cadre de taux d'alphabétisation, parce qu'au tout début, c'est le taux d'alphabétisation, le nombre de lettrés dans un pays, n'est-ce pas Et le troisième aspect, c'est euh, euh, euh, l'aspect qui concerne tout ce qui est variable entrant dans le cadre de l'amélioration du bien-être des populations. Ces trois niveaux, c'est ça qui constitue donc chacun est pondéré. Quand nous prenons par exemple l'espérance de vie, dès qu'on parle de l'espérance de vie, on parle de la santé, l'amélioration de l'état de la santé de la population. Donc, euh, l'amélioration de l'état de la santé de la population implique d'autres choses, c'est-à-dire euh, la disponibilité des médicaments, la disponibilité des ambulances, la disponibilité des centres. De... Donc, tout ce qui est concours à la santé de la population. Tous ces éléments-là, on leur donne un point. Ils sont pondérés. Et on les additionne pour avoir donc euh, un indice relatif à l'espérance de vie. N'est-ce pas Qui est lui-même donc là-bas Côté par le PNUD, on va dire que si un pays a une espérance de vie de temps à temps, il a tel point. On vient au niveau de niveau de le taux de lettré. Le taux de lettré, c'est tous ceux qui savent lire et écrire dans Alors, est-ce que à ce niveau, l'éducation non formelle est prise en compte C'est ça encore la faiblesse ou l'erreur, n'est-ce pas, du PNUD, qui ne valorise pas comme euh, tout à l'heure, la dame là a dit qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été valorisées. Ça, c'est un aspect qui n'est pas valorisé chez nous parce que aujourd'hui, quand vous partez aux Nations Unies, à part le français, l'anglais, l'arabe est une langue qui est parlée aux Nations Unies. Or, nous avons ici énormément beaucoup de Nigériens qui parlent l'arabe, qui savent lire et écrire l'arabe mais ils ne sont pas pris en compte. c'est des erreurs. Euh, c'est des améliorées, bien sûr. C'est des Parce que il faut que le Niger amène les les PNUD à comprendre que ceux-là, ils sont capables de lire et d'écrire. Ils sont capables de parler et d'être écoutés ou entendus au niveau des Nations Unies, comme ceux qui vont parler le français, comme ceux qui vont parler euh, l'anglais. Vous comprenez Ça, c'est déjà une erreur qui, devrait quand même nous permettre, si on, tient compte de ça, de booster notre indice de développement humain. Maintenant, il y a l'aspect, comme je vous ai dit, bien-être de la population. Bien-être de la population, c'est l'accès de cette population à tout ce qui est, en tout cas, un facteur de bien-être. Par exemple, vous prenez l'électricité. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, depuis eh, eh, eh, le régime de Tanja, euh, euh, on est en train de faire rurale. Parce que l'éducation rurale permet d'arranger et d'améliorer, je veux dire, le bien-être de la population à travers beaucoup de choses. La glace que vous pouvez prendre pendant le mois de jeûne, de ramadan, ou quand il fait chaud, c'est quelque chose qui améliore votre bien-être, n'est-ce pas Le fait que vous ayez la possibilité de conserver des produits pharmaceutiques ou des produits alimentaires périssables, ça améliorera bien, le bien-être. Les, voies de, transport. Les voies de transport, elles sont importantes. Les routes. Parce que si vous n'avez pas de route, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas avoir accès à votre euh, euh, village. Parce que. Il y a le retard, le temps mis pour parcourir euh, une distance. C'est ce qui fait que vous allez voir en campagne, rare que vous allez trouver des bananes, rare que vous allez trouver des oranges, n'est-ce pas Rater que vous allez trouver des pommes, alors qu'il y a des gens qui peuvent les payer. Mais c'est l'accès, parce qu'on ne peut pas les amener, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Et c'est des produits périssables. Quand vous prenez, vous allez perdre votre temps sur la route et ils vont périr, avant, ils, vont, ils vont pourrir du moins avant de, de, choses, d'atteindre la ville. Donc, tout ça, là, ce sont des éléments qui sont pris en compte dans le calcul de l'indice de développement humain le niveau de pauvreté des populations n'est pas pris en compte. Bon, et, dans les calculs, en tout cas, depuis que euh, euh, euh, le PNUD a commencé à faire le calcul, depuis 1990, comme elle dit, le niveau de pauvreté n'est pas pris en compte. Mais le niveau de pauvreté influe sur tous ces éléments dont Le bien-être. Bien-être, ça c'est évident. C'est des choses inséparables, ils sont intimement liés. Mais on n'a pas pris considéré, en, tout cas, un aspect bien, un niveau de pauvreté, non. Mais ce qui est évident, tout ce que nous venons de dire sont relatifs au, niveau de pauvreté de, la population. Parce que le niveau de la pauvreté de la population, c'est aussi le niveau de pauvreté du pays. Si le pays est riche, ça veut dire que la population aussi est riche. Ça va de soi. Soli Abdoulaye, le Niger occupe ce bouvera plusieurs années durant. Quelles sont les autres difficultés ou obstacles constatés à l'attente des résultats attendus À part ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas J'essaie. Au Niger, depuis que cet indice a commencé à être calculé par le PNUD, les autorités nigériennes qui, qui, sont succédées, chacun à son niveau, chacun en fonction de ses moyens, en fonction du de, de, temps dans lequel il est, il a agi pour que les choses changent. Et les choses changent d'ailleurs, parce qu'elle a dit, tout, tout à l'heure. Euh, Madame Camille. en 2017, elle a dit que ce taux était de 0,354. En 2018, il était de 0,377. Euh, en 2019, je n'ai pas le chiffre. Ça veut dire que nous, nous évoluons. Mm, des progrès ont été réalisés. Mais c'est énorme, les progrès ont été réalisés. Au, au, premier indice de développement humain, on était à 0, et quelques. Vous voyez bien, nous avons fait un bon qualitatif. Mais le problème, c'est que on ne fait pas assez. Très franchement, nos dirigeants, ils se sont engagés. Partout où ils partent à des rencontres internationales, il y a un engagement qu'ils prennent par rapport à la santé, le budget qu'ils doivent allouer à la santé. La scolarisation. La scolarisation et, l'agriculture. Mais chaque fois quand on fait le budget national, vous voyez bien qu'ils ne sont pas au niveau, là, en tout cas qu'ils ont envisagé ou qu'ils ont pris l'engagement d'atteindre. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, comme elle a dit, chaque fois, parce que c'est un, indice ou un travail qui concerne 189 pays. Donc chaque pays, en, ayant son résultat, il analyse et il cherche à faire mieux. N'est-ce pas Heureusement, cette dame, je, fais toujours allusion à elle, mm. elle a dit que nous devrons courir au lieu de une fois, mais trois, fois, Quatre, voire quatre fois. Voire quatre fois. Ah, pour pouvoir les Alors, Tant que ce n'est pas comme ça qu'on a fait, on va toujours être classé dernier. Hein il faut que nous faisions le triple ou le quadruple de ce que les autres font pour que nous enjambions en tout cas le pont et aller en tout cas au niveau euh, d'un autre euh, niveau qui est plus satisfaisant. Abdou Lokoko, vous venez là de suivre euh, Madame Camille Halimatou Amadou Garba de l'Institut national de la statistique du Niger. Quel commentaire cette intervention suscite en vous Je joins ma voix à celle du petit frère Soli pour présenter mes condoléances les plus attristées au peuple nigérien, au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au gouvernement et aux familles endeuillées suite euh, à l'attaque barbare et lâche de nos voyants soldats à Inates. Euh, que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Amen. Ce que je viens de suivre, effectivement, en ce qui me concerne en tout cas, montre, démontre que l'Institut des statistiques, quand même, euh, a fait beaucoup eh, de recherches pour pouvoir euh, édifier ceux qui veulent être édifiés par rapport à notre rang. Vous savez, depuis 1990, effectivement, le Niger est classé plus ou moins dernier, sauf, je crois, en 1998. Je crois que c'est sous la présidence de Feu Barré, pas à son âme, que le Niger a un peu euh, décalé, je crois, d'une ou deux places. Cela démontre justement les efforts que les différents gouvernements font pour pouvoir sortir de cette place peu enviable. Les éléments qui sont pris en compte, il me semble que ça change d'une année à une autre. Il l'a dit. À l'époque, en fait, il y avait des éléments qui étaient pris en compte qui aujourd'hui pratiquement ne le sont plus. Mais qu'à cela ne tienne, quand on regarde, selon l'analyse qu'elle a donnée, elle a donné des éléments positifs qui peuvent nous amener à mieux faire comme on le dit, mais aussi à a démontré que nous avons des difficultés ou des obstacles qui sont là. C'est à mon avis sur ces obstacles-là qu'il faut s'appuyer pour que la pesanteur qui plombe le pays puisse être résolue et que nous puissions avancer. Quand je prends par exemple euh, le domaine de l'éducation, c'est vrai depuis l'avènement de la Effectivement, ah, le secteur éducatif nigérien fait partie des indicateurs qui tirent le Niger vers le bas dans le classement euh, du Niger. Est-ce à dire que des gros efforts n'ont pas été faits ou reste à faire dans le sens d'améliorer euh, les indicateurs à ce niveau Non, en fait, il faut se dire que des efforts ont été faits, mais comme je l'ai dit, en tant qu'enseignant, c'est peu mieux faire. C'est-à-dire que. Ça veut dire que beaucoup reste à faire. C'est-à-dire que beaucoup reste à faire. Étant entendu que le gouvernement lui-même, quand il a fait l'analyse diagnostique du système éducatif. Nous-mêmes, au niveau du Rosen, quand nous avons fait une étude sur la qualité de l'éducation, on a vu que l'éducation, la qualité de l'éducation n'est que de moins 2% jusqu'en 2012. Donc, vous voyez très bien que nous sommes très loin des comptes. 2% pour une éducation de qualité qui sous-entend quoi D'abord, un taux d'achèvement conséquent. Et c'est ça, la durée d'un élève à rester sur les bancs. La durée de vie scolaire. la durée de vie scolaire, comme on le dit. Et quand on regarde là-bas, on, on, que voit qu'effectivement, ce taux d'achèvement-là, il est jusqu'à présent très bas. Souvent, même les indicateurs qu'on donne dans certains ministères du secteur de l'éducation, c'est des indicateurs qui sont obsolètes. Il y a, souvent, il n'y a même pas de données. Moi, moi, moi j'ai vu des j'étais à une réunion où des partenaires ont dit au Niger, écoutez, on a un problème par rapport à ces indicateurs qu'on reçoit et il faut améliorer ça. L'autre aspect qui, fait qu'aujourd'hui, on voit euh, que nous sommes euh, toujours derniers, c'est parce qu'au niveau de l'alphabétisation, effectivement, comme l'a dit Soli, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Le, le non formel n'est pas pris en compte. Les écoles passerelles. Les écoles passerelles ne sont pas prises en compte. Ceux qui n'utilisent pas la langue de Molière dans leur système aussi ne sont pas pris en compte. Donc cela signifie que quelque part, le Niger doit faire un effort pour intégrer tout ça et amener le PNUD à comprendre que nous sommes quand même lésés par rapport à ce classement, pas parce que nous ne fournissons pas d'efforts. Du reste, l'INS, dans son exposé, a dit que nous devrons maintenant courir 3, 4, 5 fois plus que les autres, puisque eux aussi, ils ne vont pas dormir. Dans ces conditions, Puisque nous savons où se trouve le mal, il faut trouver la solution et on peut le faire, puisque de toute les, comme je vous ai dit, en 1998, le Niger n'était pas dernier. Oui, justement, dans le même ordre d'idée de Maman Lokoko, c'est en octobre 2018, suite au classement de l'IDH euh, du PNUD, euh, qui a de nouveau classé le Niger dernier, que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a décidé de la création d'un comité interministériel dont la mission déclinée au grand public est de réfléchir sur les mesures à prendre afin que le rang du Niger soit amélioré de manière substantielle et dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché selon vous, Abdoumaman Lokoko Ce qui n'a pas marché à mon niveau, je, pense que il y a d'abord comment faire remonter les éléments positifs de notre développement. Autrement dit, à la base, on a des difficultés pour faire remonter ce qui se passe réellement au plus haut niveau et à temps. Parce qu'il ne suffit pas de relever les choses, mais il faut que ça arrive à temps parce que pour le PNUD, il y a quand même un temps pour lequel, même si vous amenez un certain nombre d'indicateurs ou de données, ils ne sont pas pris en compte. Donc, dans ces conditions, il faut d'abord à la base que nous ayons des techniciens bien formés, puisque c'est il s'agit de. Il faut que ces techniciens-là soient bien formés et qu'ils aient la possibilité, avec une certaine aisance, de transmettre à temps réel, effectivement, les données. Le deuxième élément, c'est que souvent, dans notre pays, il ne faut pas se le cacher, nous avons un problème de suivi et évaluation de ce que nous faisons. Généralement, on lance. Moi, quand je prends le cas de l'éducation, où je vois chaque année, à chaque rentrée, l'État investit des sommes énormes, 3, 5, 6, parfois même 10 milliards de, de francs pour les fournitures et pour assurer la gratuité de ces fournitures-là, les transporter pour les amener dans les classes, ça devient un problème au point où souvent il y a beaucoup qui prennent d'autres chemins. Je pense qu'il y a un problème et personne ne dit rien. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut que le comité ou même le président de la République se dise que nous avons investi, nous avons démarré telle chose, où est-ce qu'on en est, etc., etc., et est-ce que c'est fait Parce que ce n'est pas évident que les, gens qui sont chargés de faire ça le fassent comme on le désire. Le troisième élément sur lequel euh, il faut euh, se pencher, c'est que ceux qui font ces choses-là au niveau du PNUD, j'aurais appris que c'est des choses, c'est des personnalités indépendantes. Donc, dans ces conditions, tout ce que nous pouvons faire, c'est de garantir que les informations soient fiables, les données soient fiables, les indicateurs soient fiables et exploitables. Parce que tant que ce n'est pas bien exploité, ils ne vont pas passer par nous, hein. ils ne vont pas passer par le comité là qui a été mis en place. Hein. Ils font leur euh, recherche indépendante. Donc, dans ces conditions, il faut faire et laisser, comme on le dit, dire, c'est-à-dire laisser ces chercheurs partir partout au Niger et savoir d'eux-mêmes ce qui se passe. Et pour être sûr, c'est que il faut que chacun connaisse le même langage et que ce qu'on donne, c'est que ça soit la réalité. C'est pour ça qu'à à ce niveau, j'ai estimé que le président de la République, en acceptant de se faire évaluer, par exemple, par ses pairs dans le cadre du MAEP, donc le mouvement africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, aujourd'hui en tout cas, dont le résultat va sortir bientôt en janvier, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va un peu parler à euh, euh, ce rang-là du PNUD par ce mécanisme africain d'évaluation par les pairs en disant voilà là où ça a bien marché, voilà là où on peut mieux faire et voilà comment nous pouvons nous en sortir en faisant des recommandations. C'est une référence. vraiment, pour moi en tout cas, c'est un courage qu'il ait accepté de se faire évaluer par ses, propres pairs, c'est-à-dire par les autres présidents. Le, processus est en cours. Quand ça va finir en janvier, en principe, le résultat doit sortir il doit se présenter devant ses, pairs à Addis Abeba pour défendre sa gestion en tant que telle. Je pense que c'est important et c'est courageux. De Lokoko, le Niger est déjà producteur et exportateur d'uranium, de pétrole, de charbon, d'or, de ciment et de gaz. Comment comprendre ce mauvais rang qu'occupe le Niger plusieurs années durant Exactement. Vous savez, le problème, ce n'est pas d'extraire, c'est de gérer d'abord. Ensuite, c'est de répartir les richesses. Il faut qu'il y ait une certaine équité dans la répartition des richesses. D'abord, entre les régions. C'est-à-dire les régions qui productrices de ces richesses-là doivent avoir le taux qui leur revient de droit, puisqu'il y a déjà une répartition. les redevances aussi. Les redevances, tout ça. Donc, ces régions-là doivent avoir ça et que ça soit bien géré. Les 15%. Parce que souvent, même si on les donne, les autorités locales, tout bord confondu, hein, moi je, n'allais pas de ceci, cela, tout bord confondu, donc, se coalisent devant ces intérêts-là pour pouvoir gaspiller, dilapider et détourner. Et en cas de détournement, il faut que le gouvernement fasse en sorte que ceux qui détournent rendent, rendent compte. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un problème de suivi. Parce que souvent, moi je ne peux pas comprendre qu'une une commune X, qu'on aille faire une inspection d'État et qu'on trouve que maire a détourné 2 milliards. 2 milliards au Niger, c'est beaucoup d'argent. <laughs> Donc il faut, à, à, à, à chose, euh, posteriori, faire en sorte que vraiment le contrôle là se fasse avant que l'acte ne se pose. Parce que ces gens-là, même si on les prend, on les amène en prison, ils ont minimum, en tout cas, euh, deux semaines pour se retrouver avec, euh, euh, comment on appelle ça, à, liberté provisoire et c'est fini. Or, 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, l'autre aspect sur lequel nous devrons faire attention, il ne faut pas que le, citoyen se décourage. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. on a des structures, des ONG, on a des, des coalitions de défense des droits de l'homme et de ceci, cela. Je pense que notre rôle aussi doit faire en sorte que le citoyen, que le contrôle citoyen soit une réalité et que nous puissions interpeller les gens et puis dénoncer, surtout ceux qui le fassent. Même l'État, s'il est défaillant, il faut lui rappeler qu'il est défaillant. Et pourquoi pas, effectivement, trouver d'autres mécanismes pour lesquels on peut traduire l'État en justice pour cette ignorance, parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un détourner, on fait une inspection, après, on le met en prison deux jours après, on se retrouve dehors. Je pense que le rôle des ONG aussi, ou de la société civile d'une manière générale, est ici, en tout cas, très important et très prépondérant pour le développement de notre pays. Soli Abdoulaye, ce rang peu reluisant sans cesse attribué au Niger a été ressenti par beaucoup de Nigériens comme un véritable coup de massue. Comment l'expliquer Oui, c'est tout à fait normal que les Nigériens sentent euh, ce rang ou c'est différent comme un coup de massue. Parce que vous venez de dire que le Niger est producteur de l'uranium, du pétrole, du gaz, de ceci, de cela. Mm-hmm. On a énormément de richesses. Et ce sont les richesses qui font introduire ou qui font développer le bien-être dans d'autres pays. N'est-ce pas Et que voilà, nous, nous avons ces richesses, mais nous n'avons pas ces bien-être-là. Parce que, tout simplement, comme on dit, hein, indice du développement humain c'est le développement humain. Donc, c'est une absence ou une absence du moins du bien-être hein, au Niger. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Vous comprenez Alors, ça, il y a un problème d'abord de gouvernance. Il y a une mal-gouvernance dans notre pays. Il y a un problème de <coughs> priorisation des actions. Tout à l'heure, le grand frère euh, Abdou avait dit qu'il y a une mal-gouvernance parce qu'il y a beaucoup de travers, que l'État ne prend pas en charge. L'État ne sanctionne pas. La dernière fois quand eh, eh, le FMI a fait sortir, ou la Banque mondiale ont fait sortir le niveau de corruption au Niger, j'ai dit qu'au Niger, nous avons beaucoup d'initiatives, nous avons beaucoup d'institutions qui ont été créées, des textes, mais c'est la finalité qui ne, vient pas. C'est-à-dire la sanction finale. Dieu seul sait aujourd'hui, ce Mokhtar, quand vous partez aujourd'hui sur le bureau du président de la République, n'est-ce pas Le bureau du Premier ministre, le bureau du le ministre de la Justice, le nombre de dossiers qu'il y a, des gens qui sont corrompus, qui ont dilapidé les, biens de l'État, mais pour des raisons <coughs> quelconques, on met le pied sur le dossier. les dossiers. Il faut une occasion qui ne concerne pas le Niger, parce que c'est un problème entre personnes ou un problème politique qui va faire en sorte qu'on arrive. Alors que oh, c'est l'intérêt du Niger qu'on va voir. Là, on n'a pas vu l'intérêt du Niger, le gars a vu son intérêt seulement. Vous comprenez Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, la, la priorité. J'ai toujours donné une sorte de parabole, une, une sorte d'exemple. je dis, un pays, c'est comme, comme <coughs> une famille, un foyer. Dans un foyer, vous avez bien vu, on a besoin de manger, on a besoin de prendre en charge les soins de santé de sa, de de sa famille, de ses enfants. On a besoin d'acheter eh, eh, eh, du riz, de la viande, n'est-ce pas On a besoin d'embellir le cadre familial. Mais il faut savoir, en fonction de son budget, de son revenu, il faut savoir la priorité qu'il faut faire. Alors, quelqu'un qui n'a pas assez de viande dans son frigérateur, quelqu'un qui n'a pas assez de, de, riz dans le sac, quelqu'un qui il, ouvre le frigo, il voit que eh, ce qui a été prévu comme, caisse, euh, pharmacie pour la, la, la maison est en train de vider, il ne peut pas, quand il a pris son salaire ou quand il a son salaire à main, il ne peut pas dire que par rapport à toutes ces priorités, je vais plutôt préférer paver la cour de la maison en attendant. C'est caricaturellement, c'est ça qui, ce qui se fait. On, met beaucoup d'argent dans des choses qui peuvent attendre. Parce que on dit dans la Constitution, la vie humaine est sacrée. Aujourd'hui, combien de personnes meurent pour un million ou moins d'un million alors que nous avons investi des milliards dans d'autres choses qui peuvent vraiment attendre. Je ne dis pas qu'ils sont euh, euh, sont pas prioritaires. Qui, peuvent attendre, ne sont pas prioritaires. Donc c'est ça notre problème. Cette gouvernance, il faut que nous, nous la reprenions à nous. Nous travaillons en fonction de nos moyens et en fonction de nos priorités. Nous sommes un pays riche. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Mais nous sommes un pays qui a besoin de bien gérer son argent. La redistribution, elle est mauvaise dans notre pays. Complètement mauvais. Soli Abdoulaye, les enveloppes budgétaires euh, des secteurs sociaux de base hein, se sont considérablement rétrécies depuis des années. Cette situation peut-elle constituer l'une des causes du mouvement du Niger Mais bien sûr, c'est une des causes, et une cause même fondamentale, parce que c'est de l'argent qu'on parle ici. Tout part du budget de l'État, n'est-ce pas Tout part du budget, il n'y a pas d'autre chose. Tout part du budget de l'État. Et donc, tant que l'État n'a pas priorisé les secteurs fondamentaux là, les secteurs sociaux, les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'éducation, de, mais on ne peut pas aller ailleurs. On ne peut pas aller. On va toujours être classé. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. 1990, 2019, ça fait combien d'années Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour cela, le comité là, que le, gouvernement a mis en place pour, pour réfléchir sur les, indices. Mais qu'est-ce quelle réflexion il va faire Ce n'est pas ça le problème. Le gouvernement sait très bien que quand il doit euh, euh, prévoir son budget, il doit mettre beaucoup d'argent dans l'agriculture, beaucoup d'argent dans l'école. C'est une catastrophe qu'on pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que à Niamey même, hein, pas ailleurs, pas à Bilma, pas à, à, à, Ningimi, à Niamey, il y a des classes où les gens prennent cours par à, terre, même le sol. à même le sol. Mais c'est une catastrophe, s'il vous plaît. Alors, si Niamey a ce genre de, de situation, qu'est-ce que vous pouvez penser pour l'intérieur du pays Donc, c'est ça. Et la table, elle ne fait pas plus de 13 000 francs. Une table. Alors, combien de l'éducation, euh, combien de, sommes sont dilapidées Mais qu'est-ce qu'il a fait comme, dit euh, le grand frère euh, Abdou, qu'est-ce qu'il a fait Alors, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on ouvre les oreilles pour voir dangereusement la vérité et savoir quoi faire nous sommes capables de changer vraiment en, un clin d'œil cette situation-là. Je suis convaincu. Abdou Maman Lokoko, en plus de ce mauvais rang en termes d'indice de développement humain, cette année, plus de 2 millions de Nigériens seront en insécurité alimentaire. Comment y faire face Mais ça, c'est un corollaire. C'est un corollaire, cela n'étonne pas. Si nous n'accordons pas la priorité des priorités à l'agriculture et à l'éducation, mais bien sûr, la famine, elle, est, toujours là. Et, les, aléas climatiques, comme on le dit, tout le monde le, le, ressent. Mais ce que nous devrons faire, c'est d'éviter justement de faire des mauvaises prédictions ou bien des mauvaises programmations qui, en réalité, comme l'a dit euh, le petit frère Soli, qui ne sont pas prioritaires. Il faut que le gouvernement se dise qu'il y a tel nombre de, millions de, de, bouches à nourrir. Il faut investir dans l'agriculture. L'agriculture, il faut la moderniser. Ensuite, l'école, là, tant que nous n'aurons pas changé notre façon de gérer l'école, je vous ai dit, c'est des milliards qu'on met. <coughs> Mais je vous assure, vous partez, comme il l'a dit, ici à Niamey, vous allez trouver des élèves qui étudient à même le sol, sous des hangars, des paillotes. Et chaque année, on fait ces paillotes, alors que c'est des milliards qu'on est en train de... Où sont ces milliards Cela signifie que quelque part, quelqu'un a dû en tout cas euh, euh, mettre ça de côté et on le laisse. Il y a l'impunité. Donc, il faut vaincre cette impunité-là. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut que l'orthodoxie dans la gestion règne. Notre pays est riche, quelqu'un l'a dit, très riche même. Il a dit qu'il est mal géré. Il faut reconnaître que ce pays-là, il est mal géré. Et tant qu'on ne va pas revenir à l'orthodoxie euh, financière, l'orthodoxie de, gestion, nous allons toujours continuer. Du reste, même l'INS, je crois qu'ils ont dit qu'on on a fourni des efforts mais tant qu'on ne multiplie pas ces efforts-là par 5, ils ont fait des recommandations. Ce n'est pas, demain la veille. Cela veut dire que même demain, il faut s'attendre à ce que nous soyons encore derniers. Mais dans ce rang de dernier-là, regardons réellement qu'est-ce qui marche, honnêtement. Et sans faux fuyant, le comité dont vous avez fait allusion, ce, ce comité, il a été mis, mais je vous assure, moi, pour moi, j'ai dit c'est juste pour se faire bonne conscience. C'est pour se faire bonne conscience. Puisque, mais nos partenaires sont clairs. Ils ont toujours attiré l'attention du gouvernement pour dire attention, voilà, voilà, voilà, voilà. Le PDS là, 2017, 2021. Mais toujours, il y, a des réunions de, recadrage. Il y a des réunions techniques pour, voir à mi-parcours qu'est-ce qui se passe. C'est les mêmes remarques qui, reviennent. Vous gérez mal, on n'a pas de des indicateurs fiables, les données sont obsolètes, etc. etc. À ce niveau, est-ce que ce n'est pas un problème de ressources humaines, de qualité mais bien, c'est la qualité qui n'est pas. Il y a des ressources humaines, hein, mais c'est la qualité, c'est-à-dire des, experts qui peuvent regarder réellement pour se dire, ça là, si on va, et surtout le courage. Parce que certains, pour ne pas perdre leur poste, ils se, taisent alors qu'ils savent qu'on est en train d'aller dans le mur. Non, c'est ça l'honnêteté intellectuelle. un bon intellectuel, c'est quelqu'un qui dit, ça là, on fait ça, on s'en sort. Si on fait ça là, on ne va pas s'en sortir. Advienne que pourra, même s'il doit perdre sa place. Au moins, ne n'aura pas un problème de conscience. Donc voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Il faut que le gouvernement se ressaisisse et qu'il amène les Nigériens avec lui à changer de comportement. surtout ceux qui sont à des postes de responsabilité où nous devrons concevoir et puis montrer à la face du monde que nous sommes capables de sortir de cette situation. Et on s'en sortira, c'est clair et net. Abdelmaman Lokoko, le classement cette année encore du Niger au dernier rang mondial en termes d'indice de développement humain par le PNUD génère la polémique et suscite même des réactions de frustration dans le pays. Comment améliorer davantage D'abord, <laughs> je ne vois pas pourquoi la polémique. Non seulement il faut être. Il y a, certains qui pensent que le PNUD est contre le Niger. Mais c'est une polémique qui n'a pas sa raison d'être. Est-ce que le PNUD connaît quelqu'un <laughs> Il y a combien de pays Il y a 189 pays. Il y a des pays qui sont un mouchoir de poche par rapport au Niger, qui ne font même pas la communauté urbaine de, de en termes de superficie. Il y a des pays qui sont plus puissants que. Non, ça, non, moi je pense que la polémique là, des gens le font, mais ils le font parce que toujours c'est pour amuser la guerre. Mais ce qu'ils doivent se dire, c'est qu'il y aura toujours un classement, il y aura toujours un premier, un dernier. Et tant que nous, nous ne changeons pas notre façon de faire là, la gestion, l'équité dans la gestion, la justice dans tout ce qu'on fait, la transparence parce que, et la réduction des comptes surtout. Il faut que des gens qui gèrent rendent compte. Sinon, la cupidité va l'emporter sur l'éthique. Donc, il faut que les Nigériens se disent que ceux qui doivent gérer, ils gèrent, il faut qu'ils rendent compte. Et ceux qui doivent euh, regarder, faire en sorte qu'ils fassent des bonnes propositions, on ne fait pas ça pour ce gouvernement. Hein depuis, preuve, c'est que depuis 90, ce gouvernement n'était pas là. Donc on fait ça pour l'avenir du Niger, parce que dans votre amour-propre, quand on dit que votre pays est dernier, mais c'est vous qui êtes dernier. Même que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du pouvoir, que vous soyez... Si vous êtes Niger, même si vous êtes sur le sol nigérien, normalement, la décence voudrait que vous vous sentez concerné, que vous êtes dans un pays où on dit que ce pays-là est, est, dernier. Donc, la frustration, là, ce n'est pas du fait qu'on appartient à un parti ou bien non c'est le, fait que vous êtes nigérien, vous êtes fier d'être nigérien, mais aujourd'hui ça vous frustre que ce n'est pas vous qui décidez de, faire telle ou telle politique de développement, ce n'est pas vous qui l'appliquez, et le, rang retombe sur vous parce que vous êtes un Nigérien. Dès qu'on dit que le Niger est donné, ça concerne tout le monde. Mais ça, tout le monde, même ceux qui sont dans, le pays, même ceux de, nos Nigériens hein, qui sont au Niger ils doivent se sentir concernés parce que eux aussi, ils contribuent au développement du pays s'ils sont là. Donc ça leur fait mal. C'est ce mal-là qui fait que les gens parlent. Ils disent que ce n'est pas bon, ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas parce qu'on est contre un gouvernement ou que non. On veut que notre pays progresse. Et comme on le dit souvent, impossible n'est pas nigérien. Je pense qu'il faut qu'on continue à lutter et ça va marcher un jour, Inch'Allah. Soli Abdullah, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour davantage améliorer, pour rectifier le tir alors, merci, M. Mokhtar. En tout cas, moi, ma réflexion par rapport à, aux, actions qu'on peut mener pour améliorer l'indice de développement humain au Niger, premièrement, c'est tous ces travers dont nous avons décrié. relaté, décrié, c'est de les abandonner. La bonne gouvernance, il faut qu'elle soit de mise. Deuxième chose, il faut que obligatoirement les budgets futurs, ou c'est même pas tard d'ailleurs, même maintenant parce que j'ai vu que régulièrement quand euh, euh, euh, le gouvernement reçoit de l'argent, il, il, demande un collectif budgétaire donc qu'il soumet à l'Assemblée. Il faut que au moins nos dirigeants prennent conscience pour dire que ce qu'ils ont affecté pour 2020 là, pour l'agriculture, pour l'éducation, pour la santé, ils vont rehausser. Voir est-ce que ces gens qui parlent chaque fois que c'est insuffisant, et c'est eux qui ont raison ou c'est nous qui avons raison. Bien que ça ne serait pas euh, euh, euh, d'un effet immédiat, parce que ça va être un effet sur le moyen et le long terme. Mais il faut commencer à le faire, parce que je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi Pourquoi on préfère mettre de l'argent dans les investissements en infrastructures urbaines je ne dis pas infrastructure, à, l'échelle nationale. À l'échelle nationale, urbaine. Infrastructure urbaine. Vous faites allusion aux, échangeurs Bien sûr, quand je vois aujourd'hui ce que Niamey a consommé comme argent et que le besoin du peuple ou du pays nécessite que cet argent soit mis là-bas, ce que Niamey, on devrait juste arranger. On fait des goudrons, on fait des caniveaux. C'est déjà bien. C'est un assainissement formidable quand on fait des goudrons et des caniveaux. Les échangeurs vont venir au moment où la, densité en, véhicule va être vraiment quelque chose à Niamey. Mais aujourd'hui, où est la densité en véhicule à Niamey qui nécessite des échangeurs Parce que il faut qu'il y ait une sorte de confusion dans le domaine de la circulation pour donc permettre d'aller en, hauteur. Mais ici, en, bas même, nous n'avons pas fini du, du bas. Pourquoi on va aller en hauteur Ouais, ça c'est des choses. Bon, c'est un choix. Mais moi, en tout cas, en, tant qu'analyste économique, je pense que ce n'est pas normal qu'on le fasse comme ça. Si on a d'autres priorités par rapport à ces différents secteurs que nous avons, la santé, l'éducation et l'agriculture. Ensuite, vous savez, on a toujours ou pendant longtemps pêché par la disponibilité. Tout à l'heure, euh, euh, le grand frère a dit, euh, le coco, la disponibilité des statistiques un moment, les différents gouvernements, là, ils ne mettaient pas l'argent dans les services des statistiques. Or, les services des statistiques, ils consomment beaucoup d'argent pour avoir les éléments statistiques, donc les éléments d'appréciation. Ce qui fait que, pendant longtemps, le Niger a eu ses rôles, ses rôles de dernier, parce que tout simplement, les statistiques n'étaient pas disponibles. Il y a eu le travail des gouvernements qui ont été faits, mais on n'a pas capitalisé. Donc maintenant, il faut capitaliser. Tout ce qui est capitalisable, il faut le faire pour que ça rentre dans l'amélioration de l'indice de développement humain. Il y en a beaucoup de choses qui, sont en train d'être faites. Les ONG qui travaillent, euh, ils sont là, dans le domaine de l'éducation. On ne prend pas en compte les résultats qu'ils engrangent. N'est-ce pas Dans la santé, la même chose. L'État ne prend que ce qu'il fait comme travail, ce qui n'est pas normal. Donc, une fois qu'on va engranger tous ces, aspects-là, je pense bien que nous allons un peu évoluer. Les discussions avec les personnes ressources, les différentes institutions nationales et internationales concernées par la question de l'IDH permettront de renforcer les capacités des services techniques du Niger en charge de la collecte des données statistiques qui sont utilisées pour l'élaboration ou le calcul de l'indice de développement humain. Et nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Soli Abdoulaye qui est économiste et Abdel Abdou Mamadou Koko, coordonnateur du réseau des organisations du secteur éducatif euh, au Niger. Merci à nos invités pour votre fidélité au programme Digidio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.